les pays qui exportent beaucoup moi nga def nga dem jël exemple ci les les plateformes d'exportation Sont demee dans Dubaï la Singapour là, dans Chine mais dañu am ay plateformes d'exportation qu'on appelle des marchés de gros des marchés de gros moi je me dis que le marché de gros permet de régler plusieurs problèmes de régler dedans les problèmes, ce qu'on dit des marchés internationaux, les produits agricoles. Ça permet de régler les gares gros porteurs parce que euh, un camion est fait pour charger Ce C'est pas pour le mettre en gare gros porteur mu dem gaare fa suñ ko soxlaa mu dem ci mu dem ci entrepôt bi dañu un am marché gros porteur ay marché gros mu am ay entrepôt am ay de stationnement am ay logistique qui biir am bourse de fret am ay hôtel am yëpp je pense que loolu bu régler on va désencombré dëkk bi parce que gis nañ Kaolack gii fi gaar gu reporteur bi nekk gis nga li muy indi ci circulation gis nga soo demee Dakar circulation bi rafet na li muy indi dëkk boo dem te te guro moom soo ko génnee dëkk bi sax nit ñi dem fa loolu lañ gën a bëgg mu génn dëkk bi ba nga xam ni ñi am ay ay ay professionnel rek ñoo koy fekki dem jaay fa dem jënd fa DG man yaakaar naa la ci loolu waxon d'accord nga c'est des investissements qui demandent uniquement une bonne étude le rek lay mais les partenaires de de fonds quoi BOAD ils ont prêt et c'est des projets très rentables très très rentables c'est rentable au niveau des infrastructures que vous mettez que vous louez c'est rentable au niveau des services que vous donnez dedans et on peut cumuler dedans marché de gros qu'on vend hors taxe on va TTC, parce que la douane est là, il est prêt à aider sur les entrepôts fictifs. La réglementation est très claire, tout est bon, mais c'est à nous de sauter ça au lieu de laisser des gens achètent gauche à droite. Imaginez tout de suite, moi j'ai amené des, des, motos comme ça. Il y a une personne qui a dit que j'ai besoin de 5 motos. Il l'amène en Gambie. Mais je suis obligé de lui vendre ça à, TTC. S'il veut l'acheter, et après il va faire 200 il a payé les droits de douane, ici il risque de payer les droits de douane. Si on avait un système de marché de gros, mais il va l'acheter là-bas, il y aura un système léger pour lui faire amener aura Yoburgo, qui frontière de toute sécurité. Parce que taille, vous pouvez 5 yoyu, vous levez la déclaration. Fi, les transitaires de Fayou, ce qui am yëpp daanaka day de a coûter cher ñu donnons ko jéem a droit de douane da koy gën a coûter ci man da koy gën a coûter ci